thank you auditeurs, c'est un plaisir encore une fois de plus ce matin de se retrouver dans cette émission Le Niger de ce vendredi 31 mai 2024. Une émission co-animée par moi-même Rabia Mekano et Ali Munkela Ousseini et alias Seno. La technique aujourd'hui est assurée par Issa Lawali et à l'édition nous avons la grande dame Adama Dawaki. Bonjour Seno, en forme ce matin Ça va bien Rabi, Dieu merci. Et de ton côté ça va Alhamdulillah, tout roule. Tranquille, alors qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien ce matin, comme d'habitude, nous aurons un flash d'informations, la revue de la presse. Nous irons également à DIFA pour la rubrique écho des régions et de la musique, naturellement. Et dans cette édition, Rabi, nous recevons Amiral JC, artiste rappeur qui va nous parler de son parcours artistique. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rabia Mekano, bonjour Ali Keila Ousseini. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin Le flash d'information à présent pour faire face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Difa, notamment sur l'axe soroa difa Les autorités de la région ont pris des mesures afin de circonscrire cette dégradation. C'est ainsi que des mesures d'urgence ont été instaurées par les autorités euh, par note de service du 29 mai 2024 du préfet du département de Maino-Soroa. Il est désormais strictement interdit la circulation sans escorte militaire sur ce tronçon de véhicules euh, tout-terrain de type 4x4, euh, Toyota, Ulux, Hardtop, V8, 105, etc. Une décision qui vaut pour les véhicules de service de l'État, des ONG, projets ainsi que des particuliers alors que l'accord relatif à la présence euh, de soldats allemands à la base aérienne de la Bundeswehr à de Niamey arrivé à expiration aujourd'hui 31 mai 2024 le Niger et l'Allemagne sont parvenus à un accord intérimaire pour permettre le maintien pendant quelques mois encore de la centaine de soldats allemands dans le pays. cette période va ainsi permettre à Niamey et Berlin de négocier un nouvel accord sur la présence des forces allemandes dans le pays et dans le sillage de la nouvelle orientation impulsée par les autorités de transition sur la présence des bases étrangères dans le pays. Depuis quelques mois, Berlin négocie intensément avec Niamey pour convenir d'un nouveau cadre de partenariat militaire qui sera opérationnel de cette année. Le président sénégalais Bassir Diomaye Faye a jugé possible hier à Ouagadougou et à Bamako une réconciliation entre la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDIAO et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'était c'était sa première visite dans ces deux pays depuis son élection à la tête du Sénégal en mars dernier le Burkina Faso, le, président... Au Burkina Faso, le président sénégalais a rappelé que les peuples sénégalais et burkinabés, ainsi que les autres pays africains, partagent les défis de l'insécurité, de la migration, de la lutte contre le trafic d'êtres humains et de substances illicites. C'est donc aussi une occasion pour le président Diomaye de faire un plaidoyer pour un dialogue entre les pays de l'AES et de la CDAO. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 31 mai 2024. Merci bien, Mokhtar. Bonne journée et bon week-end. Voilà, chers auditeurs, je le disais en début de cette émission, nous recevons comme invité l'artiste Amiral JC. Bonjour JC. Bonjour. Bonjour. Merci euh, de nous honorer de votre présence dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Avec vous, nos échanges porteront sur votre parcours en tant qu'artiste rappeur. Mais avancez-nous, à tout ah. seigneur, tout honneur. Nous allons commencer par un de vos titres. Toujours un vide. voilà, <laughs> on espère le combler sur cette émission. Les années passent, j'ai constaté y a toujours un vide c'est ma life. Elle a vraiment besoin de cette vie, C'est ma life. Elle a vraiment besoin de cette vie, Je n'ai jamais voulu rejeter, Je voulais rester dans ma vie. Les années passent. J'ai constaté y a toujours C'est ma life. Elle a vraiment besoin de cette vie, c'est ma life elle a vraiment besoin de cette. Petit à petit, ma tête me revient. Je reviens au milieu du chemin. À quoi s'attendre à quel geste Même pas grand chose, mais ça trop bien. Mon expérience fait comme mon espoir. Mon bref passage, je fasse son histoire. Tu vois, je prends pas les avenues. Oui, je longe toujours les raccourcis. Parce que ma vie s'est rétrécie dans chaque moment vécu. Moi, je la Un jour viendrai, je serai un homme. Espérant que l'image soit bonne. Le reflet dans les yeux de ces temps c'est qui s'est barré avec beaucoup de temps de fake. Dans un état de plus de lucidité. Laissez épanouir mais n'ai jamais voulu réchanter, j'ai voulu rester dans ma vie Mais ça n'est pas à j'ai comme ça, y a toujours envie. C'est malade, elle a vraiment besoin de cette psycho qui laisse carte. C'est malade, elle a vraiment besoin de cette psycho qui laisse ma Yeah. Je cherche à donner sens à ma vie. Je tombe sur des sens interdits. J'ai J'élabore tellement de théories que dans ma tête ça devient de la folie. Imaginez des tonnes d'ennemis hmm, qui croient tout et n'importe quoi. Hmm, qui te même pas les choses je sais même pas pourquoi un fait casse chinois. moi hmm. À ce qui paraît la nuit Pour conseil, tu pars et n'arrive pas à porter sommeil. Mes nuits blanches et l'air détaillé ma tête dans les nuages, je rêve de le soleil. Le juste, j'ai dit ce qu'il veut, le hic, le franchise, je mastique. n'ai jamais voulu chanter, mais je voulais rester dans ma vie Les années passent, j'ai conseillé à toujours en vie. C'est malade, elle a vraiment besoin de cette I don't dit C'est malade, elle a vraiment besoin de cette I don't Il suffit pas de tomber, mais savoir c'est Avoir envie de chanter, mais pas c'est je m'explique. Souvent moi je m'isolais, j'ai chantais dans mon coin et je me sentais humilié. C'est de là que j'avais compris que moi ami c'est et la musique on lié. C'est pourquoi j'ai demande la boîte des uns et des autres. Je n'ai jamais voulu rechanter, je voulais rester dans ma vie. Mais ça pas à à j'ai constaté à toujours C'est malade. Elle a vraiment besoin de sexe. I don't you laisse-moi car c'est ma life. Elle a vraiment besoin de sexe. I don't J'ai jamais voulu rejeter, j'ai voulu rester dans ma vie. Mais ça n'est pas j'ai il à tout le monde. C'est ma life. Elle a vraiment besoin de sexe. I don't you laisse-moi car c'est ma life vraiment besoin de sexe. Ay, le mortalier. Ah. Yeah. Merci. Amiral Gissim, c'est du lourd. Heureusement que t'es sorti de ta bulle, hein, sinon on n'aurait pas eu ça. <laughs> Tout à fait. <laughs> Voilà, cher chers auditeurs, euh, vous venez d'écouter le titre euh, Toujours un vide de l'artiste Amiral JC qui est avec nous dans ce studio. Alors, avant d'attaquer euh, nos discussions, parlez-nous d'abord de ce titre Toujours un vide. Pourquoi Toujours un vide C'est ma petite fille. <laughs> C'est ma petite fille chérie, en fait. C'était un cru de cœur. Ok. Que je voulais exprimer sur de la musique, en fait. C'est ce que j'ai ressenti, que j'ai expliqué sur une musique, en fait. Mm. C'est l'explication que ça donne. Ok, donc c'est une chanson que vous avez écrite pour votre fille Non, la chanson, en réalité, c'est ma petite fille. Ah Ah, ok, c'est la chanson qui est votre fille. Ok, <laughs> d'accord. Parce que tout hein. à l'heure, euh, j'étais un peu confus. On entend dans la musique, euh, je n'ai jamais voulu réchanter. Ouais, ouais, Mais j'ai constaté qu'il y a un vide et que c'est votre live et vous êtes de retour. Ouais. l'homme ma compréhension. <laughs> Exactement, exactement. c'est son bébé. Oh, exactement, exactement. Ça, c'est un classique que je n'aurai jamais dans la vie d'ailleurs, parce que ça vient du cœur. Hmm. C'est une chanson qui est vraiment partie du cœur et c'est que j'ai ressenti et c'est que j'ai exprimé en fait. Hmm. C'est exactement ça. Alors, euh, le bébé, il est, bien, hein, il est très bien. <laughs> Masha'Allah. Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans le monde du rap et ce qui vous a vraiment poussé à, vous lancer dedans oh, Le monde du rap, je me dis que c'est à la base, c'était vraiment occasionnel. Vraiment occasionnel. Moi, j'étais vraiment très passionné de la musique, mm. de la musique dès le bas âge. Et Personnellement, ma grand-mère, elle m'a toujours dit que voilà, cet enfant-là, il va finir musicien. Parce qu'à l'époque, quand j'écoutais de la <laughs> musique. il hein? Oui, il y a des gens que j'écoutais comme Adam Junior, comme euh, Saïd Ahmed Konate, que je connais, j'écoutais, et puis euh, ça me donnait. En fait, j'ai chanté, et quoi coup, pour ne pas biaiser l'histoire, et quoi coup, quand j'écoute, et je verse des larmes. Et elle me dit que, maman, là, il va finir musicien. <laughs> Donc, c'est c'est parti de là. Euh, dans le rap, c'était vraiment occasionnel et on s'est retrouvé dans un groupe d'amis. qu'on était jeunes, on s'est permis de faire de la choré. Mhm. On dansait sur euh, pas mal de musique. Et après, j'ai eu de la chance de tomber dans un quartier où la, le rap était vraiment en, vogue à l'époque. C'était quel quartier C'était DWC, c'est Dar West Connection en fait. Donc je suis tombé dedans. Dar Salam, oui. Moi je suis tombé dedans et puis je suis tombé dedans. Il y avait des aînés, il y avait des aînés qui, qui étaient là. Euh, je les côtoyais je les côtoyais et puis voilà, c'est de là que c'est parti. Mamie a vu juste, genre. <laughs> voilà. Ah. Et vous vous êtes retrouvé dans le groupe Bagazam. Oui. Et euh, comment ça s'est passé euh, Comment vous avez formé ce groupe Et quels ont été les moments forts vraiment de cette période bah, À la base, moi, je ne suis, pas créateur de Bagzam. Moi, je suis parti dans Bagzam. J'ai quitté les, les potes dont j'ai dit. À la base, moi, je ne suis pas parti en Bagzam pour être membre de Bagzam. Hein. J'étais dans mon groupe de rap qui s'appelait Espoir Clan avec mes potes, mon groupe de potes qu'on était ensemble. Hmm. Donc, je suis parti aider le grand frère qui s'appelle Kader Yous hmm. pour être son backer. Ok. Vous voyez Donc j'ai le baquet parce qu'il y avait, ils étaient, lui, son binôme mm. avait arrêté la musique d'un coup, en fait, pour des problèmes familiales et puis tout ce qu'il y avait. Moi, je le baquet et puis voilà. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, quand par exemple voulait sortir euh, le deuxième son, le deuxième son, il m'a donné une partie. Ok, ah. déjà on va expliquer à nos auditeurs. baquet au fait, c'est vous, vous faites les cœurs, c'est ça hein? Exactement. c'est faire les chœurs. Ok, il y a le principal et puis il y a lui, on l'entend. moi, je suis. Voilà, derrière, c'est la voix qu'on Voilà, c'est ça, baquet. C'est un langage Donc, purement voilà. rapologique. On va leur expliquer ça, parce <laughs> que nous, <laughs> exactement, exactement. D'accord. Ok. Alors, euh, vous avez quand même eu à produire quelques titres avec le groupe Baxam parce que beaucoup euh, du public nigérien vous connaissent plus avec le groupe Baxam. Exactement, exactement. En fait, c'est comme je l'expliquais, j'ai eu de la chance mm. parce que le grand frère m'a donné euh, quatre mesures. Mm. Et après, vous vous êtes retrouvé en solo. Oui, quatre mesures. Et qu'est-ce qui vous a poussé euh, à entamer une carrière solo alors qu'auparavant, c'était des groupes en groupe Non, en fait, c'était un problème générationnel, en fait comme je l'expliquais, c'était un problème générationnel. Moi et le grand frère, on n'avait pas les mêmes potes, les mêmes visions, les mêmes, la même chose. Mm. Et moi, je suis juste son backer, en fait. Donc, quand j'ai intégré le groupe, euh, bon, à un moment, nous, on s'est demandé, comme le grand frère, c'est lui qui est le leader du groupe déjà, mm. il a décidé que, bon, alors petit, tout le monde retourne à l'école. Ah, on est retourné à l'école. Donc, on est retourné à l'école et puis on a. Après, on est, revenu, ça ne nous dit plus rien, en fait. Ok. Alors là, vous pouvez nous parler de quelques-uns de vos titres solos euh, solo qui ont vraiment marqué euh, la scène, qui vous ont vraiment. Euh, voilà quoi. D'ailleurs, pour parler de tous ces sons, là, je commencerai par Toujours en vie. Ok. Ouais. Ça, c'était juste un truc que je voulais exprimer sur un son. Et c'est parti comme ça. Maintenant, j'ai pris goût et j'ai eu la chance de, de, de, travailler avec un certain Korchop les hauts du Corcho. Hmm. Donc les trucs étaient vraiment le feeling passé en fait. C'est une maison de production, Corcho Ouais, c'est une maison de production, mais pas production comme on peut l'expliquer en fait. C'est une maison de, musique en fait, si tu veux. Donc le feeling passait entre nous et puis voilà, comme on se comprenait, j'ai commencé à faire des sons. Pour moi, l'objectif, hein, c'était pour les écouter moi seul. Ah, ok. On a trop de chance là. <laughs> Alors, euh, maintenant, après ça, vous êtes retrouvé dans un autre groupe. NKN Non, c'est pas un groupe, NKN. Ok. NKN, c'est pas un groupe. Je me suis pas retrouvé dans NKN. NKN, à la base, c'est Don Julius. Ah, ok. Don Julius qui était à la base. Donc, j'ai comme je l'expliquais, j'ai vu Lio. C'est un collectif alors Exactement. Un collectif d'artistes qui Donc j'ai euh, travaillé avec Lio et puis je, je, commençais à travailler avec Lio. Lio, euh, avait un feeling à lui. Donc comme on s'assoit ensemble, il m'a expliqué le feeling. Il me dit, bon, le feeling là, il est bon. On le fait ensemble. Elle dit, bon, ouais, on est parti. Et on le fait. On a fait ça. Et ça a bien marché, machallah. Ouais. <laughs> D'accord. Alors, euh, comment euh, décrirez-vous l'évolution de votre style musical au sein de NKN par rapport à vos débuts avec Baxam parce que vous avez dit que c'est un feeling, c'est un style qui ah, était personnel à, Don Julius. Ouais, voilà. moi, je dirais que quand tu es, es, un artiste, en fait, il faut t'adopter, en fait. Donc pour moi, c'était vraiment, vraiment très paradoxal en fait. Et le style que j'ai présenté de moi, dans ma musique en fait, parce que moi, généralement dans mes sons, dans mes sons, je développe les trucs qui sont vraiment un peu sociaux en fait. Euh, je ne je me hasarde pas à aller bon comme j'ai vu que c'est un terrain qui est un peu Moi, dans les clashs et tout ce qui sont non moi c'est pas mon feeling en fait bon moi j'ai essayé moi je dis bon <laughs> Ah euh, vous avez aimé euh, Ah, moi j'ai aimé. ok, depuis un moment, vous êtes moins présent sur la scène du rap. Euh, voilà, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Exactement, exactement. Je suis moins présent parce que je suis en train, je suis dans une carrière professionnelle un peu épanouie. Et à l'époque, je n'étais pas à Niamey en fait. En fait, j'ai été affecté ailleurs, qui m'a permis un long silence, un long silence de, quatre ans. Je suis revenu depuis à Niamey, ça fait quoi Je pense que depuis décembre passé, je suis à Niamey. Et là, j'ai repris les choses. D'accord. Alors, on retient quand même que euh, Amiral Dissé, il a, il a débuté par d'abord écouter la musique. Hein. Tout a, commencé. a, tout dans sa bulle, hein, encore. Voilà. <laughs> il sort de sa bulle, il était fan, voilà, il était fan de, la musique. Et puis, voilà, aujourd'hui, ça évolue bien. Est-ce que vous avez euh, un projet de retour sur la scène parce que vous êtes euh, moins présent. Est-ce qu'on peut soigner le VIH <laughs> C'est une question que je vous pose. Je ne pense pas. Euh, jusque-là. Euh, Mais il y a des calmants. Pas totalement. On peut calmer peut-être les douleurs. Bon, <laughs> c'est la même chose que la musique. Hein. D'accord. Alors, avant de, continuer, passons à présent à la revue de, la, la, presse. qui sera présentée par tout Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Rabi. Bonjour Seno et bonjour à tous. Bonjour. Alors, sécurité. Euh, les forces de défense et de sécurité mettent la main sur 66 complices de Bellotourgie, dont son bras droit, Valérie, informe le quotidien gouvernemental de Sahel. Oui, Rabi, le mardi 28 mai, une patrouille de l'opération Farauta Bouchia ou Chassa au Hérisson, les FDS ont capturé le célèbre Valérie ainsi que son cinq de ses compagnons à Tankama dans la commune de Rumji, région de Maradi. Ce cadre conspirait euh, du, terroriste ben-, Bello au Nigeria été activement recherché par les autorités pour avoir planifié et participé à plusieurs attaques au Nigeria et au Niger, dont récemment celle ayant visé la position de Bassira le 22 février précise le Sahel cette capture, selon le Sahel, intervient quelques semaines après la découverte par les FDS des couloirs de passage des bandits qui font irruption pour des vols de bétail ou des enlèvements de personnes suivis de demandes de rançon en fin avril, à l'issue de la seconde phase d'une opération spéciale dénommée Sara Iaka. Alors, licenciement de 30 journalistes euh, à Canal 3 Niger, une atteinte grave aux droits des travailleurs. RJDH euh, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Exactement, c'est nous. Dans un communiqué en date du mercredi 29 mai, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH déplore le licenciement massif de 30 journalistes de la radio et télévision Canal 3 Niger. Il ressort de ce communiqué que le RJDH s'indigne face à ce tact qualifié d'injuste et au mépris de la législation du du travail au Niger. Le RJDH qualifie, je cite, d'une grave atteinte aux droits des travailleurs et à la liberté d'expression, pilier essentiel d'une société démocratique, rapporte l'ANP. À cet effet, le RJDH euh, dit condamner fermement ces licenciements abusifs et appelle les responsables de, Canal 3 Niger à revenir sur leur décision pour établir les droits des journalistes concernés. Pour rappel, ce licenciement fait suite à la tenue d'un sitting pacifique organisé par les agents de Canal 3 pour réclamer deux mois de salaire impayé sur une période de 12 mois. Et au Burkina Faso, la transition militaire prolongée de 5 ans, nous informe euh, le journal Air Info. Oui, c'est le, le, samedi 25 mai 2024 que se sont tenues au Burkina Faso les assises nationales sur la transition. Plusieurs participants venus des 13 régions de Burkina Faso y ont pris part à cette rencontre. ces assises qui avaient pour but de déterminer la suite de la transition militaire en cours dans le pays se sont soldées par la signature de nouvelles chartes prolongeant la, la transition pour 5 ans. La nouvelle charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré fixe une période de transition de 5 ans à compter du 2 juillet prochain, souligne Air Info. La version initiale de ce document proposait une durée de 42 mois euh, soit trois ans et demi, mais cette durée a, a été finalement allongée. Le texte indique que les élections marquant la fin de cette euh, période pourraient néanmoins être organisé dans cette échéance si la situation sécuritaire le permet. Le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée législative pourront se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales, conclut à Info. Et c'est tout <laughs> Merci bien, Ruki, pour euh, cette revue de presse. Alors, nous allons poursuivre nos échanges avec notre invité du jour. Tout à fait, Rabi. Euh, revenons à notre invité du jour. Alors, euh, Amiral Dissé, avez-vous des projets musicaux en cours ou à venir dans vos... dont vous pouvez nous parler oh, Je dirais qu'un artiste, il, vit toujours avec ses, l'art. Hein. Moi, je produis toujours. Moi, je pense que j'ai même trois albums qui sont en stand-by. Hein waouh, bah, je vais aller un peu tamiser et essayer de créer quelque chose. Ah. Alors, euh, avec le recul, comment voyez-vous l'évolution du rap euh, au Niger depuis euh, vos débuts Je pense que ça évolue bien, dans le sens positif en fait. Et moi, je félicite les jeunes de nos jours mm. parce qu'ils n'ont pas les mêmes comportements que nous, on avait avant. Mm. De nos jours, ils sont vraiment plus entrepreneurs dans la ah. musique que que le passionné. En fait. Oui, que je la passion. Il y a le côté business aussi qui se développe. voilà. moi, je les félicite, hein, eh, honnêtement, pour être vraiment honnête avec euh, moi-même et ma personne. Et je les félicite. En dehors euh, de la musique, avez-vous d'autres projets ou euh, passions que vous poursuivez actuellement Oh, je suis dans, un, dans une vie professionnelle très épanouie. Très épanouie. Et puis voilà, la musique, bon, c'est ma passion. Voilà. Et ces jeunes que vous, euh, voilà, dont vous appréciez le côté justement entrepreneur, est-ce que vous avez quand même des conseils pour, euh, pour eux, pour ceux qui veulent vraiment percer euh, dans cet art Ouais, de regarder les erreurs des anciens et puis de corriger. Ouais. <laughs> Alors, chez nous, le rap, un peu ailleurs, un peu partout, le rap a toujours été un moyen de faire passer des messages importants. Alors, quelles sont les, les, thématiques qui vous tiennent vraiment le plus à cœur dans vos compositions Sur quoi vous, à la base, même à la base, moi, moi, dans mes compositions, moi, j'ai toujours composé des musiques qui t'aident à se développer, en fait, pour utiliser les termes que les gens utilisent aujourd'hui. Moi, j'ai, euh, j'étais coach, en fait. Moi, je, je ne chante que ce que je vois, ce que j'écoute, ce qui fait mal. Ouais. Et moi, je profite de raconter des histoires aussi qui ça peut t'aider à te développer, en fait. En réalité, si moi, ma musique à moi, c'est celle-là. Le rap au Niger a toujours été présent dans la culture urbaine notamment. Est-ce que vous voyez un changement, son impact Est-ce qu'il Il faut vous regarder et puis vous, allez me <laughs> répondre. c'est aujourd'hui, ah, aujourd'hui pour dire que c'est très positif. Ah, aujourd'hui, le rap, nous, la rue en fait, la rue et le rap nous a éduqués. Ouais. Nous a éduqués. Aujourd'hui, on connaît le bon sens. On connaît le respect des aînés, on connaît comment aborder une personne. Mais aujourd'hui, la musique a aidé. Mais même en termes de, en termes de, de, comment on appelle ça, en termes politiques même, si vous voulez, en termes politiques même. Ils nous utilisent quand ils ont besoin de nous et puis ça passe. Mais ils savent que on a de l'importance. Ouais, la puissance du rap, elle est, elle vraiment là. Je préfère pas le rap, je préfère la musique. La musique, c'est vraiment un outil qui est vraiment à la base même, c'est quelque chose de très thérapeutique. Hein. Aujourd'hui, même si, quand, même si quand tu es dans ton goumet, là, la musique peut sauver. Quand tu es dans ton goumet, pas goumet, goumet love, hein, mais goumet dans tout. Hein, C'est la musique qui goumet Général, quoi. général. général oui, Même sur le plan économique. Économique, oui, mais souvent. ça motive euh, et tout. Donc la musique, c'est quelque chose à respecter. Malheureusement, hein, malheureusement, malheureusement au Niger, malheureusement au Niger, euh, bon, notre génération et l'ancienne génération. Et puis ils pensaient que on n'allait on allait pas arriver, mais on est arrivé. Ok, on va, on va s'attendre à des collaborations. Euh. Ouais, il faut vous attendre. En fait, d'ailleurs, même, je vais passer par, ça pour demander à un futur en direct. Je peux Ouais, allez-y. Ça va être bizarre. Ça fait 17 ans que je connais une, personne. On a chanté ensemble hein, dans notre chambre, mais on n'a on a jamais pu réaliser un son au studio. C'est Idi Serki. Idi Serki. Ah, ok. <laughs> il y a Amiral DC. <laughs> moi, moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. <laughs> Super. Merci. Euh. Le, le, message, il est passé. Si c'est pas lui, si quelqu'un va entendre et puis lui dire il y a Amiral DC qui t'invite sur une collab là, et puis. Super, merci ah d'avoir été des nôtres. Merci euh, vraiment, c'était euh, c'était cool de discuter avec toi. Merci. Euh, là, on va poursuivre cette émission, mais on fait une petite pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à la rubrique hebdomadaire de ce vendredi 31 euh, mai 2024 consacrée à l'entrepreneuriat. Leila Issoufou est une euh, jeune fille ressortissante de Tilaberi après ses études euh, en didactique et communication à l'université de Tawa. Elle a traversé un moment de chômage. Euh, pour ne pas rester les bras croisés, Leila s'est lancée dans la vente de divers articles en ligne. Des produits qu'elle commande depuis la Côte d'Ivoire, le Bénin et dans d'autres pays de la sous-région. Malgré les difficultés qu'elle rencontre par rapport à la livraison de ses produits, elle ne baisse pas les bras. Elle reste dynamique et très courageuse. Elle est interrogée par Aminata Boubakar. ifo di fo narin ginera ai galer gele bobo ya so kubinda waiwar gile da ai galer waiwar sai fu ginayyan ginai ki ga amfanin da inga winda ra goigoye di sai kasirol yan tasayan aset yan da hankan ga fu sabon boda mantalayan moketi yan rido yan ikul da ya ganeri ga funun da koman da nigeria yan cote d'ivoire yan lome yan kotonu yan e suvan raraman da ga dan da burkina mai son kan problem ka rai dabu ko man da isi ga ka yadin ta kan iru do na gati da zagayyan sato kan rai man dabu da rai problem mai no di yan kulir ga sambu ginayya mai ba son dai alhamdulillah iga hatta ka mai lokaci dai ni ga sambu hali ga ka wat fo na ran na goyo wo sintini iran do wo ai to ara go han kan to ta ci ko jir guya rai gati tontoni fono ni go gudu goyo wo ga iga pagun alhamdulillah zamani ran do akbar murad fer kuma dingo nera do te amanto wata hunnim ka kai gani filana no wargin kwar bora e de amana babai ranga bai da handu moro da bar wagin nera do wote sin da nim ne mata igate murad kai kai ne mi ame borgi te borga te ni se borga te zan kai mosi sandai foyan nu akan gogudu goyowa to lalle dai sanda kirgodi komer sura inga ti moyen de transport ginai no dir ko mande han foyen iga sambu lokaci hali ga ka kamanta wadi yan bumbo da han foyen duwane irda ga du problem zama han foyen gina asito haikulu imne ka dai dorna de duwane fa ba le da bi daddala wa dalhin kin ka gina ida ya ne amma dai gine ka dai dorm ka ga de duwane inga da gitir problem problem ko kwai ne son kan frontiere wo bu lalle ga ba ko d'Ivoire yan Benin yan Togo yan san biya me sa prendre ta ka a san bu lokaci ku ku zaman fa to ba su men fo han fa to ba su men hinka ka to sohon ke yan fono ni gutonan di hangan kai se to ke yan kai ga te irja ne sai dai gati imnan gwarai yama gwarai yama wo haikun na sa saborti kalan bor lokacin wi Hal da jeunesse bor jeunesse tarara bor mon hay kulti bor mon hay kul don don da bor kaga mo man ti vena ra man ti dotti ji tarara no bor gani bor ga hay foyen asiti bor mon yama bor musubun mo gani diplôme filan no gaise diplôme filan no gaise diplôme filan no gaise yi sini ga kwai ga yakin tai sini kwai ga yakin te kada dai duwo din goyo asiti zamir bumbo iri kyau n'o iri kyau gaban son dai borgo gorga haifo batun hal borgo wani hal borgo du haifo lalle ne ran do borgo gati borgin murado fere ke mo kai te jane sai dai noya gai bon bonga gai kan bagoi keji aga bisa gorai yama aga bisa fada fada gorai aga bisa shayi hanya Voilà, vous êtes euh, bien sûr à l'émission Le Niger sur Kalangou. Du lundi au vendredi de 11h à midi. Poursuivons avec euh, de la musique Rabbi. Oui, c'est nous. Je vous propose le titre Dangereux de l'artiste Al Radik. Violent, oh oui tranchant, je polyvalent. Le respect pour le vérité, tu ne peux parler de moi qu'en préjugé. À ma vitesse, tu ne peux pas courir, ne me vole pas, ton cœur peut pas tenir. Radical, je suis dangereux, Je fais la musique et je fais drageux. Ils te disent que je suis chanceux. Oh, pourtant je lui travailler Tu me traites de et demande à ta sœur que j'ai déjà fumé. Que j'ai vendu mon âme. N'importe quoi. À ton âge, tu mens. Chaque sortie de mon single, ça fait plus de buzz que ton soi-disant album. malheureux, malheureux, malheureux, dangereux. Partout je passe, je fais des gens heureux, gens heureux, gens heureux. Big up au vrai, fuck les amis par intérêt, intérêt. Dangereux, partout je passe, je fais des gens heureux. Même si au cœur tu n'en veux pas, écoute ma zik et puis ton cœur bat. Je suis pro, ça se voit pas. Mon coup de poing, tu le supportes pas. Ma force se frappe, tu l'imagines pas. Qui rien, mais ne sort pas. Qui t'a dit que je suis ton papa? Et oui, dans ce nouveau titre euh, dangereux, le rappeur nigérien El Radic, actuellement basé au Canada, répond fermement à ses détracteurs. Avec euh, des paroles percutantes, il s'adresse directement à ceux qui critiquent son art et son talent, qu'il revendique comme étant parmi les meilleurs. Al-Radik demande qu'on le laisse tranquille, exprimant son désir de se consacrer pleinement à sa musique dans, sans entrave. Ce morceau est un cri de cœur pour la liberté euh, artistique et un témoignage de sa détermination à poursuivre sa passion malgré les obstacles. chanson. je titre Dangereux de l'artiste Al Radik, à qui on envoie toutes les bonnes vibes de cette émission. On lui souhaite beaucoup de courage dans ce qu'il fait. Alors, c'est nous Oui, Rabi, euh, on poursuit avec l'écho des régions. Voilà. Créé en 1903, le canton de Goudmaria fait partie des six cantons que compte la région de Difa. Six chefs se sont succédés à la tête de cette chefferie, dont le dernier est décédé le 31 décembre 2023. Oui, quels sont les chefs qui se sont succédés Comment se fait l'élection du chef Mais Chetima, membre de la famille de cette chefferie, explique au micro de Mahamadou Madou. to tarihin gudumariya yadda dai manyan mu suke cewa gudumariya da wani dan karamin gari ne kauye ne kuma waɗanda suke zamne mahalba ne ke zamne da to sai aminu santurwa sai aka kawo sabon sarkin daga gure ne aka ɗaukai shi aka kawo sarkin na fari mai bukar ne eh sunan shi mai bukar ya sarota shekara ashirin da ne to shi da yar su sai aka sa mai musu kime shi mai musu kime shekara talatin da biyu ne nan bisa masarauta to da yar su kuma sai aka sa kanin shi mai mamantar da yake cewa mai barma kenan shi shekara 8 ne a kan masarauta da yar su sai aka sa mai mamadu arifa shi kuma shekara talatin ne kan masarauta mai arifa da yar su sai aka sa mai musa tsarifa shekara goma ne bisa masarauta da ya rasu sai aka sa kanin shi eh, alhaji waruma mai mamadu arifa wanda ya rasu yanzu shi kuma kamar shekara goma da watanni ne ya yi bisa kan masarauta yaya ake zaben sabon sarki abin sarki da ake zaben shi kandida ne cikin mainawa kowane ne sai ya ba da sunan shi garuruwa nawa ne ƙasar gudumariya ta kumsa Yaya masu garuruwa suke zaben sarkin? Kasan gudumara muna da mai gari gari biyu da wajen sattin da wani abu. Kowane mai gari sai zabi akwai wani takarda da yake bara kowane kandida wannan ya dauki bule wannan ya dauki bulan wannan ya dauki rose haka nan yake kowane mai gari an gwada mace yadda yake yi sai ya zo ya dauki nashi wanda yake so kandida kin da yake so haka ne da bayan an kare sa'a lissahi Eh, don ka wanda ya samu linjaye shi ya yake wuce hakanan ne ake yi. Kuna iya yi mana ɗan takaitaccen tarihin marigayi mai martaba mai waruma. Sarki marigayi eh, mai waruma an yi shi ne a 1971 da ya samu sarauta a 2013 sarki ne wanda gashi da fara kowa ya sani ga son mutane kuma aikin da ya yi a cikin kasan guduma da wallahi ba kaɗan ba ne ya aiki da yawa da gine-gine da menene kuma ya sa mutane sun gama kansu wala an samu alheri alhamdulillah mutane suna jin daɗi ko ana jin daɗi mutum ne wanda bai ya fashi mutum dai kullum ko bai san kama in so guda in ya gane ka sai gashi da fara'a sai kai da kanka ka ji daɗi da ilmi da hankali in ya gane ka so guda ko cikin jama'a ne in ka zo ka gaida shi gobe ko jibi ko a shekara guda in ya gane ka yana ya san mutum ne wanda kai abin da yake ba mu ya mu mulsayi Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 38 minutes. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre dernier numéro sportif de la semaine et nous sommes en compagnie de notre chroniqueur sportif. Salut Adam. Bonjour Adam. Bonjour Rabi, bonjour Seno. Bonjour. Alors Adam, euh, dites-nous avec quoi nous allons débuter cette page sport. Eh bien Seno, ce matin nous venons avec quelques résultats de la 28e journée de la Super League de football et aussi le classement provisoire. Nous allons parler de deux rencontres qui étaient très attendues hier soir, à savoir la sortie de deux leaders du championnat, Ice Fan et Ice Guard National. L'Ice Fan, leader du championnat, avec deux points d'avance sur son dauphin et opposé au Sail Sporting Club, il est tenu en échec, un but partout. La bonne opération de cette soirée est pour l'Ice Guard National qui s'était imposé sur l'Olympique FC, un but à zéro grâce à l'unique but marqué par Zachary Adebayor, meilleur buteur du championnat. Alors, quel est le classement, Madame Eh bien, à l'issue de cette 28e euh, journée, le classement provisoire sous réserve d'homologation de la FENIFOOT, l'Iceguard est désormais en tête à égalité de points avec euh, l'Icefan Fan, 57 points, mais avec une meilleure différence de but de plus 8. Dans la zone de relégation, nous avons le Tagour, l'Espoir FC de Zender et la Kokana Football Club d'Arlit. Parlons du sport roi au Niger, Adam. Eh bien, bien évidemment, il s'agit de la lutte traditionnelle. Il est de retour après le sable national, la Coupe du Président. C'est autour de la Coupe du ministre de la Jeunesse et des Sports. La compétition débute aujourd'hui même à Dosso. Nous avons une équipe sur place pour permettre à nos auditeurs de vivre leur passion pour la lutte. Ils sont 16 lutteurs, dont deux de chaque région, à se donner rendez-vous. Un tournoi avec un double objectif que nous précise le président de la Ligue régionale de lutte de Dosso. Alhaj Abdou Harouna est interrogé par nos envoyés spéciaux Salamatu Kadiri et Asmana Boubakar. yona sola sola dai insha Allah yau hinna goga batu kwara sola sola waran di dai nan kan me ato irga hay kusina dai kan igate solara kan irman banda za yawai nan ka ne kala rano ngane nga yaran goga di argurje mo region kulkan de argurje hinka hinka ngano ga cibor cin di du ga furo competition wonera e kupo mo amma faro kaci region o kandu takuba rano iga kaka coupe de ministre de la jeunesse des sports iga kaka organiser donc ngano alhamdulillah ir sabu ir koise kan na ir cabe irdu takuba de ministiro kan alkawli ministira iza banda wana ina alkawli sambul region kan duwa iga kupote e borai kan tuningai kwarayan irgogo ngware irko ga irko makandai bani foro masintini bani ban bani su banengo e, federation no ga league kulce amma ninga ga ba argurje hinka ya dinga region ngo nga no ga suban argurje ga ka gurje wone wodo Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour vous servir avec la même passion. Merci bien, Adam. bon week-end à toi. Merci à vous. Alors, c'est nous. On passe au portrait du jour à présent. Oui, euh, Rabi à Agadez, Anissé Karim nous a fait découvrir une jeune fille handicapée, euh, locomotrice, qui fait du métier euh, du tricotage, euh, son activité génératrice de revenus en confectionnant euh, des habits et des, habits de froid pour enfants dans l'objectif d'être autonome. Suivons son portrait de taille moyenne, le teint noir. Assise dans son atelier devant sa machine à tricoter, Maimouna Issa est tricoteuse, métier qu'elle pratique depuis l'âge de 17 ans. Ah, ah, Mon nom est Maimouna Issa. Je suis née à Agadez à l'âge de 27 ans. L'infirmité m'a eu à l'âge d'un an. Mon activité est le tricotage des habits de froid pour enfants. J'ai appris ce métier auprès de ma mère. Au début, j'ai tricoté à la main. Quand je pars au marché, j'achète le paquet de fil à tricoter à 4500 francs. Je tricote trois complets avec, mais des catégories différentes, au prix de 6000 à 8000 francs. Quand je vends, je gagne un bénéfice de fois 5000 ou 4000 francs. Ce bénéfice me rend beaucoup service. Dans son activité de tricotage pratiquée à la main, Maimouna a pu économiser pour s'acheter une machine afin d'accroître son activité. Ainsi, elle a contribué à former d'autres apprentis et femmes handicapées qui désirent apprendre le métier. Avec ces économies, je puis payer cette machine que tu vois là pour le tricotage des habits de froid pour enfants. Elle me fait tout le travail que je veux. En une semaine, au désir, je peux tricoter 12 complets avec. Mais avant, quand c'est à la main, en 10 jours, tu vas pas finir un complet. Maintenant, j'ai la machine, je gagne beaucoup de bénéfices. Dans ce bénéfice, j'achète à mes enfants de Bic, abdoise crée et tout ce qu'il faut pour école. Et puis, je paye la nourriture. À ces jours, j'ai mon propre atelier. Il y a même deux sœurs handicapées pour la majorité qui m'ont dit elles ont décidé d'abandonner cette pratique pour venir apprendre le métier de tricotage. Interroger quelques clients trouvés sur place ne cachent pas leur satisfaction sur le travail de Maïmouna. Tous les habits de ma fille, à vrai au moment du froid, je le paye auprès d'elle. Elle, m'écoute à la main ou à l'aide de la machine. Toute catégorie que je désire, je paye auprès d'elle. À vrai dire, j'apprécie beaucoup ses habits. Ah, ah ses habits sont très jolis. ne se pas. À chaque fois, on paye auprès d'elle car ça protège l'enfant contre le froid. Quelques difficultés ne manquent pas pour Maimouna, la mévente de ses produits. Notre difficulté au moment de la saison sèche, personne personne ne paye ses habits. Nous sommes obligés de les conserver jusqu'à la nouvelle saison froide. À ces jours, je suis en train de voir quelle activité mener en saison sèche qui va m'aider dans la vie. C'est pour ne pas aller mendier que j'exerce cette activité. Le souhait de Mamouna est de voir toutes les femmes et jeunes filles handicapées abandonner la mendicité pour apprendre un métier. C'était là notre étoile du jour. Merci à Anis et Karim. Bouclons notre playlist avec le titre En un de l'artiste Amiral Jissi. Voilà, un an euh, de l'artiste Améradissé. Et c'est justement cette musique qui annonce le loti euh, du jour. Et celui d'aujourd'hui parle des enfants, sinon. Oui, euh, à un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter des problèmes et des accidents. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ces échanges de Fanta Shamsou et Rakia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Qui bois-je là Sophie ma chérie, c'est toi Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas Je vais bien, Alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque deux ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridwan comment il va même Il va bien. Je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Vraiment. Donc, tu l'as laissé avec son papa Son papa Non, non, non, non, non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la fatigue à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui Tu as une nounou hum, Ouma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc je l'ai laissé seul à la maison. Seul Ridouane qui n'a même pas deux ans. Hé, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme c'est là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Sophie, tu es sûre que tout va bien dans ta tête Tu es quel genre de mère même Ouma, tu paniques comme ça Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison Ça ne fait rien mais... Hum, j'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre, à chaque fois, il dort à point fermé. Mm. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Sophie, hmm? tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement Est-ce que au moins tu connais le nombre de risques que tu prends Tu es courageuse même. Oma, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Hum. Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser. Hé, ça là, ce n'est rien. Traumatiser là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Sophie, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut traîner seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple, ou pire encore, causer un accident domestique. Causer accident domestique C'est quoi ça encore Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie, ou même étouffement et autres. Les enfants sont de nature très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. subhanallah, subhanallah, Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses. Ou bien trouve-toi une nounou responsable Carmen. Voilà, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrai terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridwan. Oh Allah. J'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. la préserve ton Ridwan. Taxi Amin, Amin, Amin, merci. Omar. Taxi, taxi Harobanda Merci bien les filles. Accueillons ensemble Alamine Ouachar du Destin Maché qui nous vient avec de la culture linguistique et nous en saurons plus sur le mot fact-checking. Bonjour Alamine. Bonjour Abi, bonjour Seno. Bonjour. Fact-checking, datamaja kalmana net aratita wagu et most offert en anglais. tofert en fact-checking تفرتن to تشيكين دا asita نمود اسيتا وصان To نغد تموس دي غينارا تسيتا وصان تيدت el misel اتقغنا مون ادغزا تقع البحس ادغدوزا تسنغا كارت وا تيد التيموس ولا باهو إيجي استقا قوديغين دغترو بستارة زبزبا وين الزمان انتني توسط عمال فليد دو ست دو تيد تنسنة المثال فلقنا ويقلني دقن سلن يعني راديو تي راديوتين اس تلن سلن يا تيملن فلد سنة الشك دغ تيد تنسنة وين انت استوى قو استوى شغال صرتو استانو فاكتشكن asentas أرتموس يموسن الشيل يكن دا نيران دي ست دي سلام يكز دي سلام وين تيدت إز زهر تيدت كان باغا سري ست عمل أرتوا أنا مودوا إتاو قود غصبا نديك سويدن الشك دغارة كود وين داس دلول مدى وين داس أخبرني مدى أرتن وين ناس يهان ناس يهم ميجا ميجا دغا ديستهن غا سرتي هي ميجا ميجا تفراغت تيغا انا مود نربا حسوين دغا ترو تقرو وقت تيدتنر تتسنغ لصلنا اواك لصلا انسلا وين دا أويدن إلان المال دفلا أواك الحكومة الدفلة أواك اويدن وتنيقا مدرولة دغا دو توزا تسنار استارت ننمود وادا نشقر نسلا وين دين استارت نزبزب الزمان استانو فاك تشكين دغا دي موس arati hakkinama wayan sela madaga wedan kudi shashgalin selan madaga e zabzama wena zaman adi sittadi selan wena taf مدى ويندوز دوتو سجلنين أواكي سلنا موسن تيدت ولا الظاهر نسا ميموس الباطن نسا ميموس أنا مود نسا ميموس دغدي انت دا دا أنا مودو سيهوري توغو يتوسن سنر تيدت تنسنا دلوغ نسن دقماد نشك نسن Uh, Tani uh, euh, Mert. <laughs> <laughs> C'est ce qu'on peut te dire, Madame Merci. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en german, en tamashek ou en fourfouldé, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 64 auditeurs du Niger sur Kalangou, merci vraiment pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Nous allons écouter à présent quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Thank you. mata abakar a shirye-shiryen kalangu gaskiya yana birge mu yana kuma birge kowa saboda menene shirye-shiryen nasu gaskiya yana kai mutane gaba sosai saboda akwai abubuwa da dama wanda da bamu san shi ba amma dalilin su ya sa mun sani suna wayarwa da matasa kai ta fanni daban-daban gaskiya wannan yana birge mu sosai sunana Muhammadu Ibrahim gaskiya shirin studio kalangu tana kayatar da ni sosai domin na da ina sauraron studio kalangu kuma shirye-shiryen su wanda nake saurara masu ma'ana ne gaskiya suna nishadantar da ni sosai ina sauraro studio kalangu ta radio dileram na nan garin gegime shirye-shiryen da take birge ni kawo mana labarai da shirin matasa da sauransu shirye-shiryen suna da yawa gaskiya muna sauraron gaskiya labarai wanda take faruwa na kusan jihohi takwas da wasu sauran kwamin kwamin mu duka muna jinta kuma studio kalangu kuma mun san labari na ingantacciya wanda za mu dauka mi amfani da ita kai tsaye ba tare da wani shakku ko kuma labarin ba za mu ce kamar bata da tabbas wanda kamar yadda suke yawo a sauran social media ba in mun je a studio kalangu mun san wannan tabbas haka ta faru ne na duba bangaren lokaci da muna so a bamu lokaci kamar na dare lokacin marace wannan shi ma yana da kyau amma da yake lokacin dare wannan kuwa yana gida kuma kuwa lokacin hankalin shi yana kwance zai mai da hankalin shi zuwa ga kan radio inda da daddare ne kamar ko zuwa karfe tara haka zuwa gaba muna samun karin lokaci gaskiya na daren zai fi yi mana. ya eh, suna na isa malam kyare muna sauraron kalangu sosai ma musamman ma shirye shiryen su da suke yi wanda muna karuwa da shi sosai musamman ma shirye shiryen su na fannin kiwon lafiya da na matasa da na sanoyi gaskiya wayannan shirye-shiryen nasu yana kayar da ni sosai kuma ina samu karuwa a cikin shi sosai akwai mata da dama wayanda da ba su san yadda za su yi sana'a ba ma amma yanzu akan wannan shirye-shiryen da shi kalangu yake yi gaskiya mata da dama su san yadda za su yi su nemi na kansu su nemi abin da za su rufa ma kansu a su dai kara dai shirye-shirye wanda dai abin da ya safi mata su kara daman suna yi masu masu ci gaba su kara mutanen da zan gaida ina gaida da 'yan garin gegi mai gabaki daya da mutanen da suke aiki a studio kalangun Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission de ce vendredi 31. 2024. Le rendez-vous est pris pour le lundi pour un nouveau numéro. La technique euh, de cette édition est assurée par Issa Laoli et Adam qui étaient à l'édition. Excellente journée à vous et bonne suite de programme.